le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes de studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Kwartagi FM 90. 9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes aux ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à l'importance des écoles passerelles et des écoles de la seconde chance au Niger. La non-scolarisation d'enfants dans le système formel existant entraîne une demande singulière des familles qui appellent à des réponses négociées et adaptées aux conditions locales. Calendrier, emploi du temps, enseignement en langue locale, etc. L'idée a consisté à ouvrir en même temps que l'ouverture euh, par l'éducation nationale d'une classe de CP dans l'école une seconde chance dite de la deuxième chance qui allait accueillir les enfants âgés de 7 à 13 ans n'ayant pas pu bénéficier précédemment de cette offre de scolarisation. Il s'agissait de tirer parti d'une expérience initiée en 2002 dans la région de Miria Zander. Ces classes seraient prises en charge financièrement par des collectivités territoriales françaises, région Bretagne, région Basse-Normandie et Pays de Loire en 2006, pour un montant de 4 000 euros par classe sur quatre années. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Kemu Nassamou, directeur général adjoint de l'éducation non formelle au ministère de l'enseignement primaire. Kemu Nassamou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Ali Abdoulaye, coordonnateur national de l'ancienne ONG volontaire pour l'intégration éducative vie Beira dissoute Abdoulaye Ali, bonsoir. Bonsoir, euh, je précise d'emblée que l'ONG Vie n'est pas ancienne, elle n'est pas dissoute, elle subit une suspension. Donc elle existe, elle est suspendue et elle va renaître <laughs> Merci pour la précision, monsieur le coordinateur. Au Niger, nous avons des ONG qui pratique l'école passerelle Vi Kandenibera et Tarbiyat Tatali qui reçoivent l'appui de la Fondation Estrom par rapport à ce travail. Après trois années de pratique, nous avons environ 2000 enfants qui sont passés de l'école passerelle à l'école formelle. Donc 2000 enfants sauvés de l'analphabétisme. Un apport indiscutable apprécié par le ministère de tutelle et les parents d'élèves. La classe de la seconde chance est une approche éducative innovante et alternative intégrée au système scolaire nigérien. Elle accueille les enfants de 9 à 13 ans pour les alphabétiser et les conduire jusqu'au CFEPD et en même temps jeter les bases d'une formation artisanale professionnelle. Ali Abdoulaye, coordonnateur national de l'ONG Vie euh, suspendu quelle est la différence euh, et les caractéristiques entre une école passerelle et une école dite de la seconde chance Merci beaucoup euh, de cette opportunité que vous nous donnez pour euh, informer l'opinion publique nationale sur la dimension des écoles de seconde chance et la dimension des classes dites classes passerelles. Au niveau donc de la passerelle qui est récente, il s'agit de secourir des enfants qui n'ont pas pu s'inscrire à l'école et qui ne le peuvent plus à cause des dispositions réglementaires de l'école qui accueille des enfants de 6 ans et maximum 7 ans. Donc ceux qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans et jusqu'à 12 ans ont encore leur collègues, leurs camarades sur les bancs de l'école, les voient partir à l'école et ne peuvent pas partir. Et cela, une année de scolarisation leur permet de faire au cours de la même année, en langue nationale, des acquis dits instrumentaux qui leur permettent un apprentissage facile du français et des la deuxième phase de l'année, ils font le CI. Troisième phase, ils font le CP. Et avant la fin de l'année, ils arrivent à achever le programme du CE1. Donc vous constatez que c'est l'essentiel du programme du CP et CE1 qui est condensé en une année et qui est exécuté. Et à la fin de l'année, ces enfants-là sont évalués par les écoles formelles, inspection et écoles pour leur permettre de passer au ceux de l'année suivante. Ça, c'est la passerelle. De l'autre côté, les doudales, c'est dans un village ou dans un quartier des enfants qui sont recrutés, qui sont dans la fourchette d'âge jusqu'à 14 ans et pour lesquels on planifie un programme scolaire visant essentiellement le CM2 et qui reste sur les bancs pendant deux ans, trois ans ou quatre ans pour boucler le cycle primaire. Et ceux-là ont les capacités de se présenter à l'entrée en sixième au moment où cet examen était encore euh, en vogue. Et maintenant, par rapport aux compositions de passage euh, direct, ils subissent cet examen-là et ils se retrouvent au collège. Et ceux qui n'ont pas euh, l'option, euh, le choix d'aller au collège, ont déjà appris tout au long du processus de deux ans, trois ans et quatre ans des métiers qui leur permettent de s'insérer dans la vie courante. Ça, ce sont les écoles de seconde chance et à plusieurs formes en fonction des ONG et des partenaires. Mais monsieur le coordinateur, euh, c'est pas facile, euh, c'est pas une chose aisée tout ça là euh, C'est passionnant, c'est pour cela que malgré sa complexité, ça reste encore quelque chose de simple parce que ça répond tout simplement à un droit. Des engagements politiques au haut niveau ont été pris, notamment la scolarisation de tous les fils du Niger jusqu'à 16 ans. Donc l'État et ceux qui aident l'État n'ont pas le droit de laisser ses enfants sous aucun prétexte. Et c'est pour cela que la difficulté ne doit pas être regardée, c'est la faisabilité qui est observée. On s'engage et on est en train de réussir là-dedans. Ali Abdoulaye, quelles sont les localités concernées par le ciblage et l'expérimentation de ces écoles Les chiffres que vous avez donnés euh, date de quelques années, c'est euh, entre 2011 et 2013. Mais aujourd'hui, euh, les chiffres dépassent parce que avec la fondation Strom et l'État du Niger, notamment le ministère de l'Éducation nationale, il y a chaque année au moins une centaine de centres passerelles qui sont mis en œuvre et chaque euh, centre passerelle accueille 30 enfants. Vous voyez que c'est par an 3000 enfants et aujourd'hui ça fait déjà 10 ans. Donc c'est environ 30 000 enfants qui n'avaient aucun espoir de retrouver le chemin de l'école qui ont été quand même sauvés. Ça c'est uniquement côté passerelle qui accueille les enfants là au CE2. Mais quand vous regardez la dimension école de la seconde chance avec plusieurs dénomination, l'ONG Vie avec la coopération suisse, a développé ce qu'on appelle les DOUDAL, développement d'unités didactiques d'apprentissage et de loisirs. À ce niveau, avant la suspension de l'ONG, c'était quand même 4000 enfants qui ont été euh, secourus et qui sont aujourd'hui au lycée et au collège. Monsieur le coordinateur Ali Abdullahi, expliquez-nous comment ça se passe concrètement sur le terrain. Par rapport au Doudal, version euh, coopération suisse vie nous venons dans un village et nous proposons un recrutement pour un programme de trois ans et euh, avec des options où les parents sont impliqués dans le choix du contenu donc des enseignements, notamment les apprentissages, parce que nous proposons des programmes d'apprentissage qui ne délocalise pas l'enfant. Si vous voulez apprendre un métier, ça doit être lié à la communauté dans laquelle vous vivez, donc l'agriculture. À Maradi, par exemple, le niébé haricot est très prisé et très cultivé et l'ensemble des centres se sont impliqués dans tout le processus de production du haricot et nous avons sollicité et impliqué l'INRAN qui faisait des recherches et le docteur responsable de ce programme-là a été mis à contribution pour rédiger avec nous dans les langues locales des ouvrages permettant aux enfants euh, de maîtriser la chaîne de production et de commercialisation et de conservation du niébé. Et en marge de ça, donc de l'embouche permettant avant l'âge adulte que l'enfant ait un capital d'animaux lui permettant donc euh, d'avoir des compétences financières suffisantes pour décider de la conduite de sa vie, malgré que cela pourrait aussi et a servi à certains d'entre eux de se maintenir dans les collèges loin de leur village. Donc ça, c'est le dispositif. Et de l'autre côté, il y a le contenu cognitif qui permet donc de développer des capacités en lecture, en écriture, en mathématiques, d'abord en langue locale et pour avoir une base solide, puis en français pour maîtriser la langue officielle et pouvoir répondre aux attentes du cursus scolaire tel que Voilà un peu le contenu qui est proposé au niveau de ces doudas là Et la passerelle reprend la même chose à l'exception des euh, activités professionnalisantes. Kemuna Samu, de la Direction générale de l'éducation non formelle au ministère de l'enseignement primaire. Euh, dites-nous quels sont les différents secteurs concernés par la direction de l'éducation non formelle. Bien, bonjour, merci beaucoup. Et vraiment, je rejoins ma parole à celle de mon prédécesseur pour dire que c'est une très bonne initiative et on est très content aujourd'hui de nous trouver pour un peu parler de ces classes passerelles au niveau de la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, et précisément au niveau de la direction de l'éducation non formelle, aujourd'hui nous développons trois formules d'offres. Il y a les classes passerelles, comme disait tantôt euh, M. Ali. Nous avons les centres d'éducation alternative et nous avons les écoles coraniques renouvelées. Alors, les écoles coraniques renouvelées font la passerelle, évidemment, de 9 mois, c'est-à-dire une année de scolarité, pour aller dans les écoles franco-arabes en classe de CE2 franco-arabe. Et comme disait tantôt M. Ali, les classes, les passerelles, euh, cette fois-ci de l'école traditionnelle, ils vont faire l'année, ils vont au CE1 ou au CE2. Ça dépend de la moyenne de l'élève en fin d'année. Et maintenant, les centres d'éducation alternative qui font les trois ans de formation avec trois profils de sortie. Où l'enfant continue sa formation au niveau des collèges techniques, où l'enfant s'installe de la vie la vie économique, il est, il est inséré, il va trouver des activités euh, qu'il va essayer de faire. Ou alors l'autre formule, la troisième formule, c'est de poursuivre ses études dans les centres de formation professionnelle. Voilà les trois formules d'offres pour les trois profils de sortie pour les, les CEA, les centres d'éducation alternative. Maintenant, si je reviens sur les, les écoles, les écoles coraniques, euh, qu'on appelle désormais les écoles coraniques rénovées, on est en train de faire le travail. Euh, rénover, comment c'est Rénover, c'est-à-dire on va revoir le programme d'études. On va essayer de revoir le programme d'études puisque on voulait ces élèves faire des passerelles. C'est l'école coranique traditionnelle qu'on connaît au village où il y a les enfants autour du feu le soir. C'est ces écoles coraniques. L'État a dit oui, ces écoles coraniques mobilisent beaucoup d'enfants, mais les statistiques de ces écoles coraniques n'est pas pris en compte et on considère encore le Niger à un taux très élevé dans l'alphabétisme. Alors on dit allons-y là-bas, pour organiser ces écoles coraniques rénovées de façon à capitaliser les données statistiques euh, de, leurs résultats et améliorer le programme d'études de ces écoles coraniques de façon à permettre à ces enfants d'aller dans les écoles franco-arabes pour ceux qui le veulent, de poursuivre l'approfondissement des connaissances du Saint-Coran pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le veulent aussi de l'autre côté, c'est le troisième profil de sortie, qu'il y ait des activités génératrices de revenus. Voilà un peu comment comprendre l'esprit d'une école coranique renouvelée. C'est par rapport au programme, c'est par rapport au plus profil de sortie, c'est euh, cette préoccupation de pouvoir capitaliser les, données statistiques de ces écoles coraniques. Kemouna Samu, est-ce que les populations nigériennes sont conscientes de tous ces avantages de l'éducation non formelle Ah, bien sûr. Bien sûr, puisque, euh, comme disait euh, M. Ali tout à l'heure, c'est de comprendre au Niger l'école traditionnelle, à un moment, a perdu ses vertus. Les enfants vont, tu vas voir quelqu'un jusqu'en classe de sixième qui ne sait pas écrire son nom. Il va à peine aller en sixième et tout de suite il est renvoyé. Et les parents se rendent compte. On dit qu'il a fait six ans. Il ne peut pas écrire son nom. Il va au collège et il est renvoyé. Donc à un certain moment, les parents n'ont plus confiance à l'école primaire là. Mais maintenant, avec cette ouverture de ces classes passerelles ou se rendre compte que l'enfant, parce que l'expérience a démontré, effectivement, ces enfants qui font les écoles alternatives ont un résultat très brillant, et ils dépassent de loin ceux qui sont en train de faire le cursus normal de 6 ans au primaire. Celui-là, il fait juste 3 ans au primaire, il est au CEG, il est meilleur que celui-là qui a fait 6 ans au niveau du primaire. L'avantage, c'est quoi ce' qu'il y a l'utilisation des langues maternelles des enfants. Les classes passerelles, il y a deux mois de langue, où l'enfant doit savoir lire et écrire dans sa langue première. Pour les centres d'éducation alternative, il y a trois mois de langue. C'est après avoir maîtrisé la lecture et l'écriture, les mathématiques dans la langue première de l'enfant, à ce moment, on aborde le français. Et on se rend compte, c'est très facile, l'acquisition de tous les enseignements apprentissages qui vont suivre sont très faciles chez l'enfant parce que déjà, il a une base pour avoir déjà acquis des connaissances dans sa langue première. Kemou Nassamou, directeur général adjoint de la direction de l'éducation non formelle au ministère de l'enseignement primaire. Quel euh, intérêt le gouvernement nigérien accorde-t-il aux écoles passerelles et les écoles de la seconde chance Le gouvernement nigérien est conscient de beaucoup de choses. On est conscient de la, de la croissance démographique très élevée. Le gouvernement est conscient de la masse d'enfants qui sont déscolarisés pour n'avoir pas pu tenir dans les collèges. Le gouvernement est conscient qu'il n'arrive pas, malgré tous ses efforts, malgré les partenaires, on n'arrive pas à scolariser tous les enfants qui sont à l'âge de scolarisation. Donc ça, avec l'expérience de toutes les premières ONG qui ont initié ce programme d'un VIE et RIDE, le gouvernement dit oui, cette option elle est très importante. Ça va nous permettre, on a vérifié, c'est très rentable, ça va nous permettre de résorber. Les enfants déscolarisés, c'est une seconde chance, comme on dit, d'une manière générale on les récupère, on les réinsère dans le système formel. Ceux qui n'ont pas, eu, pas eu la chance d'aller, on arrive à les reprendre pour les insérer dans le système formel. L'État accorde une importance particulière à ces programmes, surtout avec l'adoption de la politique d'éradication, de la politique éducative, l'adoption du plan triennal de rééducation de l'alphabétisation, de, de de l'alphabétisme. C'est des programmes, c'est des dispositions juridique que le gouvernement nigérien a pris pour permettre à ces programmes d'aller de l'avant. Kemuna Samu, comment amener les familles ou les parents de, ces élèves à comprendre ou à adhérer à cette démarche novatrice ils sont, ils sont impliqués dans tout le processus. Depuis le recrutement, depuis le recrutement jusqu'au choix, surtout des métiers pour ceux qui font les CA on choisit les métiers. C'est avec les parents qu'on décide. Qu'est-ce que vous pensez Puisque le problème, c'est quoi On forme certains élèves par manque de tuteurs, n'arrivent pas à poursuivre. Ils ont fait les trois ans, ils peuvent aller au collège, mais un problème de tuteur souvent, donc on s'assoit avec les parents. Oui, l'enfant peut aller au collège, mais est-ce qu'au collège, il a un tuteur S'il a un problème de tuteur, le parent dit non, je ne voudrais pas qu'il aille au collège, mais je préfère qu'il va, va faire des activités régénératrices de revenus, c'est encore mieux, puisque les activités les métiers auxquels les enfants sont initiés, c'est des métiers qui vont leur permettre de rester au niveau de la communauté pour exercer ces activités-là, pour la communauté. Donc être utile pour soi-même et pour la communauté. On ne les apprend pas des métiers qui vont les amener à venir s'installer au niveau de la ville, encore augmenter le taux de chômage. Il y a des gens qui ont fait des grands diplômes qui sont là, mais il faut avoir un travail qui va te permettre de rester dans le monde du rural et avoir un travail vraiment utile pour toi et pour la communauté. Pourquoi pas des activités autour de le, coordinateur a dit, ça. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau de l'environnement, c'est des activités. Au niveau de la maçonnerie, c'est un ensemble d'activités. On va voir dans, le terroir quelle est l'activité qui est porteur. Et par rapport à ça, on ici les enfants par rapport à, ces activités-là. Ils vont rester de la communauté, ils vont exercer et c'est rentable. Et l'État, comme vous l'avez dit tantôt, j'ai dit, voilà l'engagement de l'État par rapport à ça. C'est le président de la République en personne aujourd'hui qui est en train de se battre pour qu'on on, fait ce travail, puisque c'est ça qui fait que le Niger, toujours, avec l'indice de développement humain, le Niger est dans une position qui n'est pas honorable. Donc il fallait combattre l'analphabétisme et euh, ces écoles de seconde chance-là sont un canal très important euh, sur lequel le gouvernement compte beaucoup. Ali Abdullahi. Comment se fait la prise en charge des enseignants de ces écoles oui, euh, au niveau de la prise en charge, vous savez que les ONG euh, travaillent euh, avec des programmes issus de financements cooptés auprès des bailleurs de fonds. Donc, lorsqu'un programme est proposé, il y a toujours un financement et ce financement prend en compte une bonne partie donc des fonds nécessaires. Euh, certes, les communautés euh, contribuent, vous savez, dans un pays comme le Niger, même le fait d'habiller son enfant et de lui garantir euh, des frais de récréation ou même lui assurer la restauration journalière pour qu'il puisse mieux étudier, c'est une contribution peut-être non calculée. Et donc, tout ce que nous proposons, en tout cas au niveau des ONG, est entièrement pris en charge par le programme euh, qui soutient euh, donc euh, l'action. de l'autre côté, vous savez, je vais ajouter un mot à ce que M. Tchemou a dit. Rapidement. L'État est conscient que euh, c'est une obligation pour l'État de fournir euh, cette éducation à tous les enfants. Et c'est la première fois que de l'existence de l'ONG Vie, on a vu l'État financer des ONG nationales pour aller mettre en place un programme pareil. Donc euh, vraiment, c'est une réalité connue, donc un atout indéniable, comme on dit. Ali Abdoulaye, avec quel manuel ces enseignants enseignent ces apprenants oui, on vous l'a dit, les manuels sont liés au contenu. Le premier manuel, c'est tout ce qui est autorisé par la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, les normes donc euh, euh, des ouvrages nécessaires pour conduire l'alphabétisation des adolescents. Et à cela s'ajoute tout les documents officiels du ministère de l'Éducation qui sont condensés et ce sont ces ouvrages-là. Vous savez que le contrôle régalien relève de l'État et tout ONG qui intervient se réfère à ces dimensions-là pour élaborer ces ouvrages et conduire la formation de ses enseignants et des élèves. Ali Abdullahi, en dehors de la Fondation Strom, quels sont les autres partenaires qui interviennent dans le cadre du soutien et de l'appui aux écoles dites passerelles ou de la seconde chance euh, ça, c'est une question qui relève euh, de mon collègue, euh, M. Je sais que dans le cadre du partenariat avec la fondation Strom que l'ONG Vikandenbeira a connue. Il était euh, uniquement avec la fondation Strom. Par la suite, euh, plein. International Niger euh, s'est euh, jointe. Et au niveau donc euh, des Doudal, chaque ONG a pu coopter des financements auprès de partenaires. Et nous, le partenaire principal qu'on avait, c'était la coopération suisse. Mais il faut savoir que l'État s'est organisé pour fédérer l'ensemble de ces acteurs-là. Et même une relation existe entre les ministères de l'éducation du Mali où ça a commencé, du Burkina qui a suivi et du Niger qui a rejoint les deux groupes. Donc il y a un cadre de partenariat, de réflexion euh, donc, euh, qui regroupe ces trois pays. Et je laisserai Thiemou énumérer d'autres partenaires qui interviennent dans, ce cadre. Ali Abdoulaye, combien d'enfants par an sont ou seront concernés par les écoles passerelles et les écoles de la seconde chance Et donc, tout est lié aux différents capacité de mobilisation financière. Vous savez que la classe passerelle prend 30 enfants pour euh, garantir le succès donc, des apprentissages et euh, une ONG euh, peut prendre jusqu'à 100 centres. donc, si on a une dizaine d'ONG qui interviennent avec 3 000, vous voyez que ça fait déjà 30 000 enfants par an qui sont concernés. Et ces chiffres-là, certainement, nous ne nous pouvons les maîtriser que quand on va dérouler la liste des ONG qui interviennent dans ce domaine. Ali Abdullah, depuis 2002, date à laquelle vous avez commencé l'enseignement dans ces écoles, quel bilan sommaire pouvez-vous nous faire à travers les activités que vous avez menées ou bien que vous menez dans ce domaine dans ce domaine, moi je dis que euh, le bilan est très positif. En termes de chiffres, on en a déjà énuméré. Nous sommes certainement dans la fourchette de 50 000 enfants qui ont été touchés au moins euh, la moitié, les 50 ou 60 euh, sont dans le système formel au niveau collège et au niveau lycée. Et ceux qui n'ont pas atteint ce niveau-là sont dans des activités professionnels, qui euh, les aident aujourd'hui à avoir la tête euh, haute, c'est-à-dire à exercer des métiers qu'ils maîtrisent, dans lesquels ils excellent et avec lesquels ils créent, euh, ils animent leur vie. Donc, Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où des impacts même sont mesurables et nous les avons constatés et nous le constatons chaque fois. Nous recevons des informations du terrain où des jeunes qui sont encore sur les bancs de l'école ont des richesses qui leur permettent de financer eux-mêmes euh, le, la suite, la poursuite de leurs études au niveau donc des écoles. Euh, nous savons aussi que les partenaires sont friands à euh, injecter euh, leur argent au sein donc de cette dynamique. L'État du Niger même euh, prévoit des financements propres donc sur le budget national, ce qui signifie que l'approche donne des résultats, la satisfaction est grande, mais l'effort à redéployer est aussi considérable. Kemuna Samou de la Direction générale de l'éducation non formelle au ministère de l'enseignement primaire. En dehors de la fondation Strom, y a-t-il d'autres partenaires qui interviennent ou bien qui vous appuient dans le cadre des écoles de la seconde chance, des écoles passerelles et même d'autres écoles non formelles Merci beaucoup. Euh, la liste est longue, hein. je vais essayer, mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, euh, la coopération suisse finance beaucoup le centre d'éducation alternative qu'on appelle CCAJ, avec environ 200 centres, 184, 116 euh, euh, à Maradi, 84 euh, à Dosso. Donc, il y a la coopération suisse, il y a un programme qu'on appelle PALAM, c'est financé par la Nous avons l'UNICEF qui est toujours là à côté. Nous avons la Fondation Strom, déjà, M. Ali en a parlé. Mais la fondation Strom, il y a un secrétariat permanent qui est basé au Mali, qui appuie sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel la gestion de, ces, euh, de surtout les classes passerelles. Donc j'ai parlé tout tantôt de l'UNICEF, de la coopération suisse. Il y a le programme PALAM, nous avons Save the Children. Il y a le plan Niger. Vraiment, il y en a beaucoup. Je ne voudrais pas aller, mais je sais que aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds presque qui sont en, actifs en éducation on l'espoir de voir rehausser ou d'améliorer la qualité de l'éducation en faisant confiance à ces centres d'éducation, euh, ces d'éducation alternatifs, les centres de seconde chance. Aujourd'hui, tout le monde, vraiment, nous avons beaucoup de partenaires qui pensent oui, c'est la voie de sortie. Kemuna Samou de la Direction générale de l'éducation non formelle au ministère de l'enseignement primaire, expliquez-nous comment les élèves sortis de ces écoles pourront significativement contribuer au développement socio-économique de ce pays, oui, le Niger. Oui, ça c'est une évidence parce que d'abord, euh, quand nous prenons euh, ceux qui font les centres d'éducation alternative, qui ont des profils de sortie ou continuer au collège de formation technique ou au collège traditionnel ou s'installer à leur propre compte, leur propre compte des activités qu'ils vont mener, qui seront utiles pour eux et leur communauté. Vous vous rendez compte Si au niveau d'un terroir, nous avons plus de ne serait-ce que 100 élèves sortis de ces centres-là, qui vont faire la maçonnerie, qui vont faire l'agriculture, qui vont faire l'environnement, qui vont faire l'élevage, qui vont appuyer les parents sur ces activités du monde rural, c'est quelque chose de très important. Sans exagérer, je dis que ils sont encore en train de servir mieux la communauté que le bachelier qui est là, qui a son bac, qui a aucune formation technique, aucune formation professionnelle. Donc c'est pour dire que c'est tellement très important et leur participation vraiment n'est pas facile à qualifier par rapport aux actions de développement du pays. Kimouna est-ce que euh, les élèves de ces écoles sont pris en compte dans les statistiques euh, du Niger, notamment au ministère de l'Enseignement primaire Si, si, c'est bien pris. Quand vous prenez l'annuaire des statistiques, vous allez voir les résultats des écoles de seconde chance, les résultats des actions d'alphabétisation, c'est pris en compte. C'est pris en compte. C'est pris en compte. Et j'avais dit tantôt que ce qui, sait qui dérangeait beaucoup plus le gouvernement, c'est l'effectif des écoles coraniques qui n'est pas pris en charge. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire face à ça pour qu'on puisse récupérer euh, ces données statistiques ajoutées à l'annuaire euh, euh, de statistiques du Niger. Expliquez-nous un peu, Kemouna Samou, comment les élèves sortis de ces écoles arrivent à intégrer les écoles classiques, la classe de sixième notamment Il y a des évaluations. Il y a des évaluations en fin d'année et avec les notes d'évaluation, avec la réunion du conseil d'orientation au niveau de chaque région, les résultats des centres d'éducation alternative atterrissent au niveau du conseil régional qui s'occupe du conseil d'orientation de chaque région et il analyse les dossiers de ces enfants. C'est suite à l'analyse des dossiers de ces enfants-là qu'on décide de dire que oui, tel nombre déjà, il y a déjà un programme qui fait plus ou moins cette répartition, mais on dit oui, tel nombre vont partir dans les collèges techniques, Tel nombre vont partir dans les collèges traditionnels, tel nombre vont partir euh, dans la vie active. Il y a la question d'âge qui joue aussi, puisqu'on dit tantôt, c'est des enfants de 10 à 14 ans. Quand un enfant à 14 ans rentre, il fait 3 ans, il a 17 ans. Donc là, le profil de sortie est d'avance connu. On ne peut pas l'envoyer dans des collèges où, euh, dans le primaire, on sait que c'est quelqu'un qui a l'âge d'avoir des moyens de s'installer à son propre compte. C'est un peu ces critères plus ou moins qui orientent un peu euh, le travail d'orientation de la répartition de ces, de ces enfants euh, dans les différents profils de sortie. Ali Abdoulaye, comment apprécier le niveau ou encore la performance de ces élèves euh, des écoles passerelles ou des écoles dites de la seconde chance les outils d'appréciation du niveau et des acquis des centres passerelles ou euh, doudal ou de seconde chance ne sont pas des outils différents de ce que le ministère a dans le système formel, puisque l'ensemble des acquis qui sont développés, c'est pour que ces enfants-là aient le niveau donc euh, déterminé par euh, l'État dans le système éducatif en général. Donc euh, à la fin de l'année d'une année scolaire passerelle, c'est le directeur de l'école de proximité, le conseiller pédagogique de l'inspection qui couvre le centre, qui sont sollicités, qui élaborent les épreuves d'évaluation et ce sont des enseignants du formel qui viennent prendre place dans la classe pour aider l'enseignant à évaluer ses enfants et c'est eux qui déterminent le niveau de l'enfant comparativement au niveau scolaire formel et on lui attribue un degré et c'est dans ce degré-là qu'il est orienté euh, l'année suivante. Au niveau des Doudal, c'est l'examen d'entrée en sixième qui faisait euh, loi avec euh, la suspension ou l'abandon de cette option-là par le ministère. C'est des examens, des compositions euh, tout au long de l'année qui sont administrés. Et chaque fois qu'il y a une composition au niveau donc d'un centre d'Oudal, il est administré aussi par euh, les agents officiels de l'État qui déterminent le niveau de l'enfant et qui décernent un certificat de niveau pour pouvoir euh, lui permettre donc de rejoindre le collège. Monsieur le directeur général adjoint de l'éducation non formelle l'a précisé, le choix de l'enfant, le choix de parents, la logique d'orientation à déterminer par euh, le système éducatif tient ou prend en compte l'âge de l'enfant euh, pour que euh, on puisse l'aider dans son choix et l'orienter dans la vie active ou l'orienter pour poursuivre ses études au niveau du collège. Coordinateur Ali Abdullah, euh, comment vos partenaires apprécient-ils vos activités sur le terrain Vous savez, un partenaire, généralement, c'est comme l'eau, il prend la forme du vase qui le contient. Si un partenaire vient trouver le Niger, il essaie de lire, vous avez vu dans toutes les communications, tout partenaire se réfère au PDS, pour le développement général, à l'agenda 2030 euh, sur l'éducation, au PSF du Niger. Et en fonction des engagements du pays, de la motivation du pays, le partenaire s'affiche parce que le partenaire est un accompagnateur. Donc, l'ONG nationale est aussi un accompagnateur de l'État. Quand l'État s'inscrit dans une logique, tout le monde cherche à aider l'État, et donc à s'inscrire dans cette logique-là pour l'encourager à réussir suivant la ligne tracée par l'État. Personne n'a une ligne propre et le partenaire euh, apprécie effectivement quand tout le monde converge euh, vers une vision déterminée par un État. Nous en arrivons à présent à la troisième et dernière partie de ce forum qui consiste à proposer des pistes de solutions pour une meilleure promotion et une prise en compte des écoles passerelles et des écoles de la seconde chance au Niger. Kemuna Samou, rapidement, vos propositions de solutions. Nos propositions de solutions, d'abord, c'est la bonne coordination des interventions des opérateurs, des ONG et même des partenaires. Parce que l'un des problèmes, c'est que, à un moment, malgré qu'on dit que euh, le terrain appartient, ou, appartient à l'État, on a connu des moments où il y a une intervention non contrôlée des partenaires, des ONG. Donc, la piste de solution, c'est de trouver un cadre de rencontre ou de programmation des activités pour qu'on puisse savoir qui intervient où et pour quelle activité. Donc le problème de coordination des interventions, l'amélioration du système de coordination des interventions des opérateurs, des partenaires, c'est une préoccupation qu'il faut améliorer, qu'il faut voir pour mieux capitaliser les efforts des uns et des autres. Il y a des, partenaires qui font un travail très miracle, très important, mais le fait que ce travail n'est pas pris en compte par l'État, ce n'est pas capitalisé, c'est une perte. Et pour le partenaire et pour l'État. Donc, euh, créer ce cadre de coordination des interventions de tous les partenaires par rapport aux actions de l'éducation non formelle. Dans ce sens, vous pensez que les médias peuvent faire quelque chose Oui, bien sûr, les médias peuvent faire quelque chose. Nous avons actuellement un programme où nous pensons trouver des médias qui vont nous faire des, documents qu'on va projeter au niveau de chaque village pour euh, vraiment parler de problèmes d'éducation d'une manière générale et ce système de, de, la réinsertion et de, de réinsertion des enfants. Donc, nous avons déjà ce programme de travail avec les médias pour qu'on puisse atteindre la population la plus isolée pour leur parler de ce quoi le problème de l'éducation et que le pays, la réussite du pays passe nécessairement par l'éducation des enfants. Alors nous avons ce programme. Deuxième chose, c'est les conditions de travail. S'il y a les partenaires qui entrent, le, rôle régalien de l'État, M. Ali a déjà dit ça, c'est de contrôler les interventions des uns et des autres si ça rentre dans le cadre de la vision générale du gouvernement. Mais quand les services étatiques qui sont chargés de faire ce compte régalien n'ont pas les moyens d'aller sur le terrain, beaucoup de choses échappent à, ces services techniques, par conséquent, ça échappe, à l'État. Donc la deuxième chose, en dehors de la coordination des interventions, c'est de mettre les agents dans des conditions de travail pour qu'ils puissent suivre les interventions des uns et des autres il y a le travail de renforcement des capacités des agents, puisque c'est de nouvelles donnes qui sont là. Donc il faudrait penser, faire des activités de renforcement des capacités des agents pour qu'ils puissent être euh, vraiment à niveau, à même de conduire la nouvelle option de la chose. Voilà un peu ce qu'on peut dire euh, par rapport à votre... Ali Abdullah, vos propositions de solutions oui, les propositions de solutions, je peux les énumérer en trois points. Le plus important, dans notre lecture, c'est vraiment euh, ce qui repose sur l'État. L'éducation, notamment le fait que l'école nigérienne connaît euh, un problème de niveau et que beaucoup d'enfants quittent le système scolaire sans avoir développé des acquis suffisants. Donc la composante éducation non formelle, alphabétisation, devrait avoir un rôle beaucoup plus affiché que ce qu'elle a aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous pensons que l'État doit prendre ses responsabilités pour faire de la question de l'éducation, notamment de l'éducation non formelle, une question de souveraineté pour ne plus attendre des partenaires, mais de sortir les gros moyens pour financer l'éducation non formelle et l'alphabétisation à la hauteur de l'enjeu. C'est une question de souveraineté et l'État ne le fait pas. C'est 90% des financements proviennent donc des partenaires. Deuxième solution, c'est que la DGAM, qui est longtemps attendue même pour... Euh, la, la, la quoi la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, la DGAM, qui est attendue même devenir un ministère à part entière, les techniciens doivent se réveiller et sortir les gros moyens, un argumentaire solide pour convaincre le gouvernement, donc, euh, afin qu'il prenne conscience de ce qu'il y a nécessité à accorder comme importance à, ce, à cette direction-là, comme je le disais, qui mérite même d'être un ministère. Et troisièmement, je suis une personne qui répond au nom d'une structure en suspension, naturellement parmi les solutions, je dirais, à l'État de tout faire pour que des ONG capables de participer pour l'aider ne doivent pas subir ce que l'ONG vit, verra est en train de subir. Et pour finir, les médias que vous êtes, ce n'est pas que vous êtes nécessaire, vous êtes indispensable parce que l'éducation dans le monde entier a besoin de plaidoyer et les plaidoyers, c'est des voix et les voix ne peuvent être portées que par les médias et les médias sont là, un, pour interpeller, deux, pour donner la voix et trois, pour aider même à sensibiliser, à éduquer. Kemuna rapidement, vous avez quelque chose à ajouter avant de clôturer ce forum Non, non, je, je, dis simplement merci, merci beaucoup. Et j'ajoute que nous sommes encore disponibles pour revenir en parler, en parler plusieurs fois. Nous sommes vraiment disponibles et nous sommes prêts à revenir pour encore parler parce que, comme Ali vient de le dire, c'est là, c'est là où le porte-voix, ça porte la voix loin. Et ça fait pour comprendre les choses loin à celui qui n'est pas à côté. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Kemuna Samu, directeur général adjoint de la direction de l'éducation non formelle au ministère de l'enseignement primaire. Nous étions également avec euh, Ali Abdoulaye, coordonnateur national de l'ONG volontaire pour l'intégration éducative Vie Kanil Beira suspendu. Merci à nos invités et à vous tous euh, pour votre fidélité au programme studio qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.